D'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors les constats le rapport sur la situation euh, des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur, parapublic, est à 15, 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contractée et non publiée de près de 1892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors juste pour expliquer, euh, lorsqu'on parle de tirage donc sur ressources extérieures ou euh, de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, ces, dettes euh, devraient se retrouver dans les dépenses. Donc, dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses euh, qui n'ont pas été euh, donc euh, publiées ou, en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires et, de ce fait ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et, donc on, on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, euh, cette dette euh, supplémentaire, euh, nous disions, est, principalement due au, tirage sur ressources extérieures et des banques locales. Si on prend l'exemple de, de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Au-delà de ces chiffres sur le déficit et la dette, l'audit a également révélé que le surfinancement du trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023, c'était un surfinancement qui avait été convenu avec euh, le Fonds monétaire euh, international et qui devait être utilisé pour l'année 2024. Euh, ce surfinancement de 605 milliards de francs CFA a été utilisé pour payer des dépenses non budgétisées et des dettes connues de l'État, euh, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires. La non-disponibilité de ce surfinancement en 2024 a nécessité des emprunts non initialement programmés, notamment l'émission d'eurobonds par placement privé de 750 millions de dollars en juin 2024 dernier, et des crédits commerciaux syndiqués de 300 millions d'euros au troisième trimestre. Encore une fois, pour euh, clarifier, il y avait un montant de 605 milliards de France CFA de surfinancement qui devait être disponible en 2024, n'est-ce pas, pour euh, un certain nombre euh, d'obligations. Euh, ces 605 milliards donc, de France CFA ont été utilisés en bonne partie et donc nous, ne les avons pas trouvés dans les comptes lorsque nous sommes arrivés. Donc en conséquence et en attendant la finalisation de l'audit des finances publiques, le gouvernement avait décidé de ne pas porter le dossier du Sénégal au, Conseil d'administration du Fonds monétaire international suite à leur mission de revue de juin 2024. L'examen du dossier du Sénégal sur la base de chiffres erronés aurait conduit à un cas de ce qu'on appelle le misreporting, c'est-à-dire la transmission de fausses informations pour bénéficier des tirages prévus sur les ressources du Fonds monétaire international. La conséquence de la transmission de données erronées pour bénéficier de tirages et le remboursement des ressources mobilisées, à moins de bénéficier d'une dérogation sur la base de mesures correctrices, correctives crédibles approuvées par le FMI. Le gouvernement a donc choisi la voie de la transparence. Là aussi, juste pour clarifier, euh, quand on parle de, transmission de données erronées au Fonds euh, monétaire international, donc vous allez au conseil d'administration avec un rapport et euh, euh, les données avec lesquelles vous allez au, conseil d'administration sont les données qui sont transmises par les autorités du pays. Alors, si ces données donc euh, transmises ne sont pas correctes ou frauduleusement donc données ou fournies au, service du Fonds monétaire et qu'il y a un décaissement, ce décaissement, en principe, il doit être remboursé. à moins qu'il y ait une dérogation du même conseil d'administration du Fonds monétaire international s'il y a des mesures correctives euh, donc qui permettent au pays de, revenir sur la trajectoire qui était euh, précédemment convenue. Le Fonds monétaire donc, international a été informé des résultats de l'audit des finances publiques et le gouvernement du Sénégal sera en discussion avec leurs services pour les mesures correctives que nous comptons mettre en œuvre. Ces mesures seront mises en œuvre soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI pour mettre les finances publiques sur la trajectoire initialement convenue, ou dans le cadre d'un nouveau programme à négocier à très très court terme et à mettre en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Alors, en tout cas de cause, ce qu'il faut retenir est que ce qui sera convenu avec le Fonds monétaire international sera le programme du gouvernement, afin de mettre notre déficit budgétaire et notre dette sur une trajectoire soutenable, à un niveau de risque modéré, voire faible à moyen terme prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement compatibles avec une économie saine et prospère portée par un secteur privé fort. C'est l'ambition du projet du président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, la croissance moyenne sur la période 2014-2023 a été d'environ 5%, malgré les déficits budgétaires effectifs d'une moyenne de 10% du PIB, deux fois qu'annoncé. On a eu une croissance moyenne de 5%, on a annoncé un déficit budgétaire en moyenne de 5%, mais ce déficit budgétaire a été en réalité de 10%, en moyenne. Cela veut dire que l'action de l'État par l'endettement n'a pas été efficace. On peut être tenté d'attribuer cette contre-performance à la conjoncture internationale. Mais la faiblesse constatée de la, croissance n'est en réalité qu'un retour à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture, on sait que l'agriculture est volatile de façon générale. la croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% euh, de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, donc lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, la croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018, donc bien avant la Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% euh, du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait. Alors donc, je disais tout à l'heure que nos performances historiques, c'est en, moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation euh, politique qui a prévalu. Euh, et la croissance va reprendre donc, pour les trois trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% ou moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal euh, en est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance et les plans d'action 2018-2023, au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la... Tel n'a pas été le cas étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans disons, les 12 dernières années, mandat, il a été question euh, de beaucoup investir euh, en s'endettant pour euh, jeter les bases d'une croissance beaucoup prendre le relais. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la, crise russo-ukrainienne. Mais disons qu'il demeure que le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. Néanmoins, la croissance a été donc en décélération depuis 2018, donc bien avant euh, les deux crises qui ne peuvent pas être utilisées comme, prétexte de ce point de vue. Alors de ce fait, euh, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, euh, comme disons nous, exige nos, engagements euh, donc, euh, dans le cadre de l'UMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs, à la mesure où nous revenons à nos tendances historiques. Euh, notre projet, qui vous sera présenté ultérieurement, devrait nous permettre de reprendre la croissance, mais ramener le déficit à 3%, la dette en dessous de 70% du PIB dans un horizon raisonnable ne devrait pas nous coûter euh, donc des points de croissance significatifs. Il nous faudra alors faire preuve, faire une revue systématique des projets et des programmes sur financement extérieur pour déterminer ceux qui doivent se poursuivre et ceux qui seront arrêtés. Ce travail est déjà en cours afin d'améliorer l'efficacité euh, des investissements publics. Les dépenses de fonctionnement seront également rationalisées, notamment par la réduction des subventions à l'énergie, nous y reviendrons, une stricte application des procédures de marché public, la maîtrise de la masse salariale et euh, des stratégies d'optimisation de la commande publique et d'utilisation des biens et services euh, par les administrations dans le souci d'améliorer la qualité de la dépense, il s'agira pour le gouvernement de protéger également les couches vulnérables par un meilleur ciblage des bourses familiales tout en éliminant les subventions non ciblées, notamment à l'énergie, pour ceux qui ne devraient pas en bénéficier. Des mesures structurelles seront également prises dans le sens de la réduction du coût de production et de vente de l'énergie pour le mix énergétique. Ce sont nos projets euh, à court et moyen terme. Pour rappel, rien que pour les années 2022-2023, les subventions à l'énergie ont coûté au budget de l'État plus de 1 200 milliards de francs CFA, des subventions à l'énergie non ciblées. Alors, la mobilisation des ressources internes se fera en réduisant les exonérations fiscales, en élargissant l'assiette fiscale, tout en réduisant les taux d'imposition, pouvoir promouvoir le civisme fiscal et en menant des réformes qui inciteront les entreprises à la formalisation on sait déjà que 97% de nos entreprises sont informelles. Donc les inciter à se formaliser euh, donc, euh, permettra également de favoriser euh, le civisme fiscal. Cela va jeter les bases de finances publiques saines, gage d'une souveraineté budgétaire retrouvée, pour mieux accompagner le secteur privé. Alors, euh, comme le, Monsieur le Premier ministre le disait tout de suite, ce point de presse n'est pas le lieu de discuter des détails du référentiel des politiques publiques, dont le premier draft en cours de finalisation circule euh, déjà, mais il vous sera présenté euh, le 7 octobre prochain. je vous remercie, ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'économie. Je pense que il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur euh, des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Et il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important que en tant qu'acteur politique, nous avons promis aux Sénégalais. Nous avons mené une lutte politique pendant dix courtes et longues à la fois années qui ont été consacrées par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les menerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions, et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que Pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au quatrième sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais un langage beaucoup plus simple, c'est que le ministre vient de nous dire c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les trois aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les quatre exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême d'une extrême gravité. Sur le troisième point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça voudrait dire, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du débit du premier des quatre premiers mois de l'exercice 2024, qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à M. le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme, le président de la République. Parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires que au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je peux vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais, jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré la vérité et continuer dans la manipulation. Je voudrais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et de en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux, Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI. Et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé, dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous, le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de euh, diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue, parce qu'il s'agit de l'image du pays et de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de, chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'en limiterai à ça. Et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances que la République n'ait jamais connus. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadouba, d'abord en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de, de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situations des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice, euh, qui donnera quelques éclairages sur l'angle juridique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, euh, le, rapport que vient de nous livrer le ministre de l'économie, du plan et de la coopération euh, revêt, à la lumière de ce que nous avons entendu, euh, ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigations qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que euh, nous sommes dans un état de droit. Les deniers publics, dans le cadre de l'agencement juridique du pays, euh, ont, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de la euh, de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur de transparence et sous réserve des euh, règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. En conclusion, en tout cas, je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est en tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement, douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau de Diola. Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupable est celle de nos autorités politiques, qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous voulons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans, ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les, diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce, ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et leur rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée partout tout notre combat. Sur ces considérations, pendant dix ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar, une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté. Et j'ai toujours dit, sur la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, quand nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés des ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour nous mentir, pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devions nous-mêmes adopter. que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption c'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ses objectifs pour enrichir des autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente est favorable à une corruption généralisée, l'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontanée, quasi spontanée, à la méthode des offres spontanées, spontanées d'investisseurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces quatre dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je pense sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coût de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celle des acquiescements ou autres rachats de créances, celle des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier, et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé, nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moussa Faba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadouba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'économie en a abordé certains sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ses efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante, nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressé. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce, de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre, qu'ils ne leur promettaient pas. Tout ce qu'ils pouvaient leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, ils verraient la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps soit peu de sacrifices chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillerons d'arrache-pied, matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun écart, aucun, dans la gouvernance actuelle pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves et sur des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays aujourd'hui sont donnés un exemple parce qu'il y a eu le leadership, mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons passer sans tarder à la version wolof mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ni ma ko waxee léegi ci bi ñuy door waxtaan bi euh, dañoo daje woon tey pour waxtaan ci tolluwaay réew mi tolluwaay réew mi nag yaatu na gaw ma ni mën nañu peeg lépp dajale lépp waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne tey buñ ko xayma mën naa layal lan moo tax réew mi doxul wala lan moo tax réew mi dox te loolu mi ngi jëm ci koom-koomu réew mi mi ngi jëm ci kopparu réew mi mi ngi jëm ci gafaka réew mi ya ci des yëpp nag dina ñëwaat ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko yaatal moo tax waxtaan wi ñu tënk ko ci ñaari poñ mooy ñun bi ñëwee ci réew mi lan lañ fi fekk ci koom ci alal gu Sénégal moom ci koppar lan lañ fi fekk rawatina nag ci yenn aspect yi yenn anam yi mooy bor bi ndax xam ngeen ni réew yi dañuy leb ni nit ñi di rebe waaye leb boobu dañ ko war a teg ci ay charte lu ko moy rek mun na sànkam réew donc lan lañ fi fekk ci bor bi lan lañ fi fekk ci euh, matadi ci wàllu xaalis mooy yow la nga soxla pour tabax sa kër euh, daanaka téeméer la waaye li nga am yow te moom ko juróom-ñeent fukk la ñu ne la dox diggante juróom-ñeent fukk ak téeméer nag ngay def ba feccali ko loolu lan lañ fi fekk ci réew mi waaye mu am ñetteelu ponc boo xam ne ñetteelu poñ boo xam ne ci alalu réew mi la ci loo xam ne dañ ñoo dañoo waxtaanoon ak suñuy naataango ñu nangul ñu ñu mën a leb lu ëpp li ñu waroon leb xaalis boobu ñu àppaloon ko ne waruñu koo laal fileeg 2024 jotul waaye ñu ñëw bu fekk ne xaalis boobu nee na mes ñetti poñ yooyu mooy gën a fës ndax li mu wundu ci nekkinu réew mi dafa bëri moo tax damay jox euh, al amin loo mi nga xam ne mooy jëwriñ bi nekk secretaire général gouvernement mu faram fàcce leen liñ fi fekk ci poñ yooyu nga xam ne moom laa wax léegi monsieur le ministre ñu ngi lay jox kàddu gi euh, chez le Premier ministre juróomi weer ci ginnaaw peuple sénégalais yanni nañu yan won yan ñeneen mooy président Bassirou Diomaye Faye eh, booy yanu nag baax na nga xam lin lay yan lan la lolo tax projet bi ci bopam li ko tax a jóg mooy jub jubal jubbanti kon nak bu dee loolee la tax a buñ lay yan dara da nga xol ndax lan lay yan and nak la nga fogon ci lan la fa bayil lolo tax président de la république joxe dogal ministre des finances ne ko yónnil inspection générale des finances

yeneen pays yi mu bokkal union économique monétaire ouest africaine mooy ñi bokk franc CFA daanaka am Sénégal am na loi boo xam ne ni jël na ko ca loi bi li muy wax mooy lii heure bu nu amee président bu keneen remplacé ci ñetti weer yi nga xam ne ne topp na ci prestation de serpam serment mooy jël na lenge yi war naa saytu koppari réew mi war naa saytu budget bi war naa saytu bor yi te loolu lépp dafa war a nekk ci benn rapport bu gouvernement di préparer jox ko cour des comptes et cour des comptes am na ñetti weer pour fësal ko pour ñépp xam li ci ne loolu nag ñi ngi ci ndax ñetti weer yi pour l'inspection euh, générale des finances ci rapport bi rapport bi liñ ci gis lañ di tas jub bi li ci son excellence le président de la république euh, Tek mooy lii mooy lépp nous la sunu digganteeg ñi niy jëflanteel bitim réew ñi nga xam ne ne seen kolite tax nañu indi seen alal ci biir réew mi loola tax itamit bu nu tolloo fii ñu toll war a jël aw sas yanu ko dafa baax ci ñu xam lan moo xew régler compte yi ba mu leer pour mën a xam fu nu jëm ndax loolu dañ ko soxla pour li ñu war a tabax ëllëg ànd kook askan wi muy projet bi ñu teg ko ci yoon woo xam ne ni dëgg la démarré ni ko premier ministre waxe dëgg ci lay wéye te bis bu yàlla dogalee mu jeex ci dëgg lay doon looloo tax itamit lii président santaane premier ministre jox ko ndigal ministre mi ñu dox doxal ko day mbir moo xam ne ne day wax ne fii la ñuy déparé gaa loolu kenn du ne yoon wu yomb la ndax bu doon yoon wu yomb mën naa am ñi fi jóge def ko yoon wala wax ne ne mën naa jur lu ne waaye lu mënti jur dëgg moom du la xañ leneen lu dul mooy mujj bi nu xoolee mbir yi li ñu gis lii la mooy ne bor bi ne Sénégal yoreel na ko yore nekk na ci ndoddam weesu na lool li ñu bind ci këyit yi ñaareel ba li ñuy wax déficit budgétaire mooy lan mooy ne gouvernement bi dana jël impo gouvernement bi dana jël droit de douane loolu mooy xaalis biy dugg ci biir kees gi te ci loolu ci lay faye saleer yi ci lay tabaxee tëli yi hôpital yi ak yeneen ak yeneen mooy ne daal lépp loo xam ne ni lu ab gouvernement di liggéey la ca la mu jot la bu pare seet nu mu koy dépensé sunu réew yi nag li nga xam ne ni daanakaam de sunu réew yi sax ab ab ab état boo gis même état yee gën a rëy am na lu ñuy wax déficit budgétaire mooy ne ci at mi mu ngi mel ne 2024 li ngay jot ci diggante l'impôt ak droit de douane boo ko méngaleeg yow li nga war a dépenser da nga gis ne li ngay dépenser moo ëpp la nga yor loolu la ñuy tuddee déficit budgétaire te loolu da nga ko war a wuti li xew nag mooy ne période 2019 2023 gouvernement bi buñ ko doon misaal day jàpp ne 1000 francs yu ne man bi ma ñëwee jël li ma war a jël bi ma ko xoolee yore naa luy tolloog 950 francs fukki dërëm rek laa wuti ci bu dee samay dépense ñaari téeméer la la ma jot ci lemp ak droit de douane toll ci 950 man fukki deureum rek laay bi moy à peu près 5 moy cent mooy sama déficit mais ba ko xolé ba xool ko dano gis ni wàññi nan ko lol ci lo xamné ne lu nu neub la ndax au lieu que déficit bi mën a nekk fukki deureum dem na ba luy tolloog ñaar fukk loolu nag li muy indi mooy ne bu desul lu dul wax ak ñi nga war a waxal ñu ñëw na la yow kët fu sa déficit toll daanaka am képp ci ñun ku lay leb si da nga seen ndax mën naa fay te li tax ñuy xam ndax nit mën naa fay mooy ndax lim lay déclaré ci li jot ci l'impôt ak douane ak la muy euh, la muy la muy dépensé est-ce que wax na la dëgg ci li nga xam ne lan ci ëpp loolu nag li feeñ mooy ne gouvernement bi fi jógee daa wàññi yëf yi daf koo wàññi mooy ne waxul la xew bu nu ñëwee ci mbiru bor yi ndax bor moom képp ku la ko lebal dalay topp seet ndax mën nga koo fay te lan la koy seete mooy ne ndax yaa ngi yokk say bor looloo tax bor toujours dañuy xool nan la toll ak alalu réew mi réew mi li muy liggéey ci alal ci at mi dañuy xool digganteem ak bor ya bor bu ëpp la ngay liggéey mooy ne dëkk boobu daanakaam fay bor rek lay dunde mooy ne day demande ay génération yi ñëw nan ñëw jox fay boru ña nga xam ne ni ñoom ñoo jëli bor ya loolu nag buñ ko calculer mooy ne suñuy bor ak sunu alal ji nii nga xam ne danañ ko liggéey cim at gouvernement bi la mu déclaré woon buñ ko xoolee daf ko wàññi mooy ne bu fekkee ne suñu alal un milliard la ñu ne ñu li ngay lépp mënul nekk lu dul sept cent millions loolu la Sénégal tënku digganteem ak UEMOA bu dee alalu réew mi un milliard la sept cent millions waroo ko weesu waaye dafa dem ba bi nu xoolee danoo déclaré woon ne daanaka daanakaam ñoom ñu ngi ci six cent cinquante millions waaye ban ko xoolee weesu nan ko presque ñu ngi ci huit cent trente millions misaal la rek mooy ne waxuñu respecté wuñ la lanu tëlal ci charte waaye weesu nan ko te loolu risque la ci wax ko waaye risque la boo xam ne danañ ko jël ndax ki lay lebal nga ñëw ne ko yow lan la doon wax du noonu loolu dëgër fit la laaj waaye gouvernement bii dafa ne moom duñ ko yan ci loo xam ne ne teguwul ci yoon muy ñëw ci askan wi jàpp ne ragal na ne ëllëg ku koy lebalaat danga ragal ba du la wax li xew looloo tax lii ñu wax ko bor yi ëpp na li nu wax ndax bi nu ko xoolee boru Sénégal 2023 bii jeex mi ngi toll ci fukk ak juróomi junni milliard yu teg juróom ñaat téeméeri milliard boo jëloon tey bëgg ko xayma bu yomb rek mooy ne sénégalais bu ne même liir danan fay boru huit cent mille ba neuf cent mille francs CFA kër gu ne nga dugg fa bopp bu ne dana fay neuf cent mille loolu mooy sunu bor Sénégal bu dee këru ñaari nit lan xam na ne un million huit cent da ngeen ko fay loolu mooy boru senegal loolu nag bi ñu ko xoolee li muy wane bi nu saytoo ba pare mooy ne bor bi nu waxoon ak bor ba ne li ñu gis mooy ne am na junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñaar ah, junni ak juróom ñetti téeméer daanaka am junni ak juróom ñeenti téeméeri milliards yu nu nëbb junni ak juróom ñeenti téeméeri milliards francs CFA yoo xam ne ni kenn déclaré wu ko fu mu jógee mooy ne rek am na ga engagement bu jël won ak ñi ñuy sékkal aduna muy bailleur de fonds yi fonds monétaire international banque mondiale ñom dañ lay wax sa budget comme yow da nga yori bor comme ce déficit budgétaire man na dem lu ëpp dayo da ngay d'accord ak ñom wax leen ne at mu ne li lay lebi waaye nak bo leen waxé ne li lay lebi il faut nga respecté ko weesu nan lan waroon a leb waaye boo ko bindee ñu gis ko binduñu ko loolu nag boo ko xoolee yamul rek ca la ñuy leb yi bànk yi sax bokk nañ ci ndax ñoom itamit lebal nañ gouvernement bi te kenn déclaré wu ko ci këyit yi daanaka bu fekkee ne li ñuy leb la bitim réew lu toll at mu ne juróomi juróom benni téeméeri milliards leb nan ko te binduñu ko boo xoolee juróomi at yi dana ëpp dana bari lool bu dee la ñuy ca banque ya téeméer ak juróom-ñetti fukki milliards yoo xam ne ne leb nan ko ci banque yi te waxuñu ko loolu li ko gën a firndeel déggoon ngeen fi coow li coowu gouvernement bi dan ko bàyyil xaalis bu ne gàññ mu yokk ca dem lebi moom la wax sur financement rapport audit bi li mu wane mooy ne surfinancement boobu mooy lan mooy ne daaw gouvernement bi dafa ne woon fonds monétaire international réew bu nekkee ci ay élection dana jafe nga dem lebi loo mën a dundale sawré

au moins danaa mën a fay ay salaire danaa mën a fay samay bor danaa mën a danaa mën a danaa mën bi gouvernement bi ñëwee fekku fa dara mooy ne dépensé nañ ko daaw te nin ko waxee bi ñu xoolee fu mu dugg am na ci loo xam ne ni gis nañ fu mu dugg loo xam ne ni awul ci budget am na ci leneen loo xam ne ni ñu ngi saytu ba léegi fan la jaar limi wanerek wane rek mooy ne coow li fi amoon yéen wa presse bi ngeen dégg ko ci surfinancement bi te am ñoo xam ne ne dem nan bay yàq lu ne gouvernement bi gouvernement yi mënagul woon wax ndax bala ngaa wax da ngay ci yoon dem xool li ngay saytu ban ko xoolee juróom benn téeméeri milliards yo xam ne ne buñ ko bàyyiloon gouvernement bi yaakaar naa dana bari lu yomb defuñu ko looloo tax gouvernement bi bi mu ñëwee dégg ngeen fi coow ne danoo lebi ji nu nii def ndax danoo ñëw ne nu dencal nañ leen fi luñ fa fekkul kon nag il fallait que dëkk bi continuer dox ci la gouvernement bi dem lebi ba yenn journaux yi di wax ne ñun danoo commencé bàyyil nañ ñu fi yamuñu ca dañ caa yokk déedéet fekkuñu fi dara ci loolu lii nag ku ko wax war nga mën a xam ne ne am na lum la mën a jural waaye xaaruñu mu jural ñu dara fonds monétaire international daanaka am ñetti weer yu ne mu ñëw ci réew mi ne waaw ah yow de am na lu déggoo woon bu ne wax fonds monétaire international du leneen lu dul ne kuréel la goo xam ne ne daane ci àdduna bi dëkk yépp lay dem bëgg dëkk bu ne nga régler sa dëkk ci mbiru koom-koom pour que àdduna bi nekk ci jàmm mbiru koom-koom loolee tax a jóg FMI te boo demee yow ba xaw am tuuti lu la sonal mu ne la ah man de mën naa la lebal moo gën ngay def loo xam ne ni dan na la yàqal dana yàqal àdduna loolee rôle lu FMI Fonds monétaire international Sénégal bi mu dëlee independance ba léegi dafay nangu nekk programme ak Fonds monétaire international mooy ne tout le temps di waxtaan ak ñoom mu ñëw fësal waruñoo am lu ñuy nëbb fonds monétaire bi gouvernement bi ñëw fekk na mu am benn programme ak gouvernement du Sénégal programme bi 2023 ba 2026 la mu am ay charte yoo xam ne ne da ngeen ciy waxtaan ba juboo ci ñetti weer bu ne mu ñëw seet si la bala seet see nga génneel ko li ma wax say bor sa budget sa déficit budgétaire corruption ndax yaa nga koy xeex leneen ak leneen ak leneen boo paree mu ne la ah ndax man nga ko xaatim nga ne xaatim naa ko mu ne la xaatimal signé yónnee ma waat nga ne lii la nga ne waaw waat naa ne lii la nga yónnee boo yónnee mu dem toogat conseil d'administration ñu ne réew mii de lem du waxoon ak ñun def na ko kon nag leen ko waroon a jox pour jàppale ko ñu jox ko ko ci bor bi gouvernement bi ñëwee amoon na lu toll ci ñaar téeméer ak fanweeri milliards yu nu FMI waroon a jox bi ñu ñëwee mois de juin pour saytu situation bi gouvernement bi dafa ne leen parewuma bàyyi leen dama am lu may xool duma ma conclure du ma leen ñëw jox loo xam ne ne ay tappale la ngeen dem jox ma ci ñaar téeméeri milliards ak fanweer bu ngeen dellu seeni ñun amuñu kàddu te bu boobaa day bari lu mu yàq président de la république décidé né, nee leen waa fonds monétaire international du nu len jox kayit yi non nan nu bàyyi ñu xol ci lan xol gis liñ gis contrairement li journaux yi di wax du fonds monétaire a bañ le premier ministre wax nako légui ci kàllaama français président de la république moko décidé né man mii de duma commencé ci ay tappaleeg ñom danaa leen wax dëgg gi ci la yónnee ministre des finances ak délégation ñi dem ne fonds monétaire wax ji wax ji mooy ne liñ ñu fi bàyyil wuute nag lañ leen doon jox ci at yi te ñun nag bëgguñu ànd ak yéen ci loo xam ne ni dañuy commencé di leen wax lu ko dul noonu ci lan ne duñ ko def ndax buñ ko defoon fonds monétaire àdduna bi yépp la fi nekkal bis boo ko waxee lu dul noonu day jàpp ne yow mii kenn waru laa wóolu lépp lu mu la mas a lebal man nga dalee ne indi ko tay tay tay tay tay te du yam foofu dana dem ba ñi nga xam ne ni investir Senegal, dana dem ba ñi nga xam ne ni ñooy lebal Sénégal dañuy dem ba dun wóolooti Sénégal waaye gouvernement bi dafa ne moom loolu du ca dugg dana wax dëgg gi ñuy doog a seet nu ñuy premier ministre dana ci dellu si FMI ñi ngi waxtaan ak moom waxtaan yi ñëwoon nañ fi ci septembre bi gis ngeen leen génnee ci këyit daanaka xawoon nañ junj lii xew ñun ñëw leen ko wax du lu nuy xoolal seen bopp ba gisal ko seen bopp gouvernement bi moo jël ne leen lii moo xew danañ dellu siwaat mois d' octobre danañ dellu siwaat mois de décembre loolu nag li muy wan mooy ne il faut am yu nu jot danti yoo xam ne dañ ko war a corriger ndax situation bi day mbir yoo xam ne ni bari na réew yum sonal ci ne boo ko xasee ba def kenn du la wóolooti waaye premier ministre dana ci dellu siwaat ñu ngi waxtaan ak fonds monétaire ndax lenn rek bañ a départ suñu régime bi ci lu dul dëgg ñu gaa ñu ngeen ñoom ci benn programme ñaara am imma programme bi nu am ak ñoom bu nu jëlee ba dugal eh, xibaar yi ñu leen jox ñu continuer ko walla ñu def benn programme bu bees te loolu mi ngi aajo woo ci li président de la république di wax premier ministre ñu def li wërtëwër te bi ëpp na dayo waaye lu mu ëpp ëpp dayo jàpp nañ ne ak programme bii ñu tëral te référentiel bi dana ko wane ci fan yii di ñëw war nañ mën a fexe ba waxtaan ba jotdanti yëf yi muy ci mbiru bor bi danañ fexe ba mu mu demaat fam waroon a warul weesu mooy ne suñu koom-koom suñu alalu réew duñ tayle lépp daanaka mooy mel ne kuy lekk lekk ba yëf yi yegg ci sa fii la cay tegu mooy doo mën a noyyi loo tax loolee bor il faut toujours nga bàyyi aw diggante woo xam ne ne boo amee lu la bett looloo tax ñuy wax sa bor bul dem ba sës boo amee lu la bett àdduna bi bari na lu la mën a yëngal nga mën a utiliser loolu loolu gouvernement bi dana dellu siwaat ba bor yi yett yegg fi nga xam ne ni waru foo woon a yeesu weesu li jëm ci croissance bi mooy koom-koom gi daanaka am tëm lañ cay wax rek mooy ne gis nañ ni PSE bu doon jëmbatoon nan garab goo jëmbat fukki at war ngaa mën a commencé xanaa witt ci dara garab goo jëmbat fukki at war nga taa witt li am ba am mooy ne tëli yaa ngi fekk leneen ak leneen waaye yokkul koom-koomu réew mi yokkul koom-koomu réew mi mooy nit ñi yëguñu ko ci seen poos réew mi yëgu ko ci li nga xam ne ne waroon na fa mën a egg te PSE bi ñu koy tëral dañ ne woon ñaari mbir la juróomi at yu njëkk yi gouvernement bi day dem lebi naam leb bu baax pour mën a defar réew mi juróomi at yi ci des nag gouvernement bi fexe bàyyi secteur privé mooy suñu homme d'affaires yi yu fii comme yu bitim réew ñu ñoom ñoom liggéey yëf yi waaye li ñu gis mooy ne daanakam loolu tali yaa ngi fi rafet na lool hôpitaux yaa ngi fi ak kii waaye croissance moom amul lum ñu jural loo xam ne ne jar naa tudd et fan lan jëm lan lan war a def ba lii mu bara nekk rek nettali lii moo xew du régler dara liy réglé nag mooy fan lan war a jëm pour que lu mel nii du amati waaye ñaareel ba tëm li tarxiis ba sori ñu delloo siwaat ko li muy commencé mooy lépp luy projet programme danañ ko xoolaat ba jël yi nga xam ne ne am na njariñ pour réew mi waaye amul njariñu keneen li ci tegu dépense de fonctionnement yi mooy ni nguur gi di dunde danan ko saytu danan ko yaxanal danañ fexe ba marché yi mu nekk lu leer danañ fexe ba jënd bi gouvernement bi di jënd ci loo xam ne ni mu ngi jëm ci ay service ñu fexe rek ba mu nekk loo xam ne ni dana aw yoon waaye surtout li jëm ci subvention bi kenn wump lu ne Sénégal limi muy courant di ko jaayee essence ak gasoil gouvernement maa ngi ci tek alal ju bëree bëree bëree bëree 2022 2023 bu nu xoolee junni ak ñaari téeméeri milliards 1200 milliards gouvernement bi génné nako pour bañ a yokk lolu yi waaye loolu li nga xamné né ne danañ ko ci jojjante moy fexé bu def ay subvention ñu bañ ko jox entreprise bu ko soxlawul bañ ko jox ministre ndax ñoñu war nan mën fayal seen bop bañ ko jox sax entreprise wax ni seen fi lan ne bu demee seen dividende dañ koy yobbu waye subvention yi metti na lool li ci teggu moy fexé ñew ji doole yi ñu gën leena ar ci jàppale leen ci seen situation lolou tam mbir la moo xam ne danañ ci jëm lu fekkee ne mbiru nag wuti li ñuy wax alal premier ministre da koy faral di wax daa jàpp ne ndimbal na fekk loxol boroom bala ngaa woo nit ne ko lebal ma nanga fexe yow li nga xam ne ne war nga ko def nga def ko ko bare mooy ne danañ fexe ba ku daawul fay lempo fay lempo danañ fexe ba sénégalais yi mën a jóg dem fay seen l'impôt kenn du leen ko laaj te lim laaj rek mooy ne leadership la mooy wan ne ne la ngeen di fay fii laa ko def am na yaakaar ne buñ ko defee civisme fiscal dana ñëw ci sénégalais yi loolu daal moo doon fi nu fekk réew mi ndax day mbir moo xam ne ni leeral ko askan wi baax na ndax aw doxin bu soox bu ci soox amee jàngoorante am daanaka am mel na ne dëkk bu nekkee ci sa tànk il faut booy dox danga soox ñun nag loolu lañu fekk fii waxuma benn dëkk waaye ay déggi déggi dégga digg moo ñoo nekk ci suñuy tànk ñu war ko sekki d'abord faj ko bala ñoo dem léegi jéem a dox yóbbu réew mi fi ko président de la république bëgg ci and ci ak premier ministre premier ministre li dal moo doon fi ñu fekk réew mi ma delloo la cadeau gi. jërëjëf monsieur le ministre kon bokki euh li moy li ñu néwon dañ koy faran-fàccee ñu nak euh sénégalais yi xamni lii lu doy waar la lu garaaw la ñu fexe ba ci suñuy jëflante wala li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii ndax lii mooy réew mi bis bu nekk ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo amul benn njëriñ ci réew mi boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu defaru nañu teewul bés bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk boo buggee ràññeetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waa réew mu ban yitte lañu am ci liy doxal seen réew nga méngale kook ban yitte lañu am ci li nga xam ne moom lañu tuddee fait divers débat politique bi ci lii la war a porter waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol diw oto bi muy dawal lii lañu war a waxee ndax lii tey jii dafa méngoog bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal wala dundal bés bi nga xam ne lorange bi gën mag ci bi ñu xam ci lorange boo xam ne walla ci yi gën a mag yu am ci biir géej ci la bokk mooy keroog bi batalo Joola di suux tey mu tombeek moom ñu bëri sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bés boobu ma jàpp ni nag organiser ci bés bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel nii mooy autorité yu yor responsabilité yor alalu réew mi au ñu def mbir ma fi ñu ko war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ñàkk koo def ci càggante wala ci teef ba mu jur musiba tey jii ñi ngi wax mbënd mi mbënd mi lan moo ko waral lan la ñu def ci at yi weesu yépp ci milliards yi nga xam ne nañ dugal nañ ko ci lu dul li ci ëpp ay nit ko damm seen poos li ci ëpp ay nit ko damm seen poos ñu ngi wax mbirum xale yi jël gaal gi la ko waral est-ce que xam ngeen ni li gën a métti ci lii mooy mbir mi dafa am ñaari pàcc dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de la ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël témèr bind ni juróom fukk la jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xamné ne nañu Sénégal ba jël sen alal diko diko duggal ci réew mi donte dañ ñi lebal nak waaye ki ngay lebal day fekk nga yaakar ni mën fay waaye loolu benn patch bi rek la benen patch bi gëna graw moy gannaaw bi ñu défé loolu ba xaaliss bi dugg milliards yi dugg moy pexé yi ñi def ñom pour li bëri ci milliards yooyu au lieu ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay ay ay ay ay ay milliers de tonnes de de kilos d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare ndax sénégalais yi ndax suñu partenaire ne leen jëluñu xaalis bu toll noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porté peuple bi laay waxal bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo lii motax senegal nek ci niveau bi mu nek li moy suñu défi ñun moo mu jaadu bala ñuy dem fi ak fukki fan inshallah allah ndax dégg naa gars yi amuñu programme que projet bi amul ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko ndax ñoo gën a xam ni projet bi am na waaye lépp dañ koy teg ci taw fii ak fukki fan gën saa gudd suma danañ ñëw andil leen maintenant projet bi nga xamne mom lañu la ñu présenté woon ci programme président Bassirou Diomaye Faye ñu andil len naka lañ koy farañ faccé patch par patch ak naka lañ koy doxalé <coughs> mais ñu won dem ci té defu ñu li ñuy def ni muy lu am solo motax ñi nga xamne nak ñoy ndey taile mbill ndax tayele genné nañu livre blanc defe ñun suñu génnee livre noir très noir lay doon waaye ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbill gi ñoom nañu génn tontu bu dee li ñu wax amut ndax lii def nañ ko ba mu pare ñu partagé ko ak suñuy partenaire Fonds monétaire international jot na ci Banque mondiale jot na ci la ñu war a def def nañ ko te lu nit mën a vérifier la ci anecdote bi élection bi passé boobu ñu ngi fii hôtel Azalaï président ne ma il faut ñu wax ak ministre des finances doo ko woo ma laajte numéro am woo ko ne ko dañ la soxla mu fekk ñu Azalaï ñu ñëw daje foofu boobu amoon nañ suñuy njort ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xam na ba noppi ci biir waxtaan bi la ñu ne way det bi demewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demewul noonu ñu ne ko waaye yow loolu noo ko ne bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem ça veut dire que su doon yéen yéen a jàllaat boo moytul Sénégalais yi du ñu gaaw a xam ni nii la demee te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop am na sax masse salariale bi te boobu ba léegi service ministère des finances ñi ngi continuer di jeex ci biir budget bi ndax dañ koo tasaare dugal ko ci ay lignes yu bëree bëri bëri ba nga xam ne jafe naa dajale. loolu nag lu garaaw a garaaw la moo tax ñoom ñi nga xam ne defe naa ñoom rek a war a wax fi mu toll nii ñi jaar fii ci ministre des finance di Amadou Ba di Abdoulaye Daouda Diallo di Moustapha Ba ak ki leen doon sant muy président Macky Sall ñoom rek ñoo mën a taxaw layoo imma ñu nangu ni nii la demee wax nag li tax ñu def ko imma ñu ne demewut nii nañu génnee les preuves ndax écriture yaangi fi kon am solo la te ñuy wax askan wi ni li horizon électoral ah d'ici 4 ans d'ici cinq ans dañu war dem élection il faut gaaw gaaw gaaw ma tabax ben stade wala ñaari immeuble ne dañ ci tey ak dal brique après brique boo buggee am kër gu dëgër bu dee nun nag noonu mënoon nañ ñëw def lii ndax bi ñu fu ne la bailleur di jóge yéen a ngi gis image yi chaque jour ñu recevoir des bailleurs yu jël seen jet privé ñëw waxtaan dem te kuñ ci waxuloon lii ne la ñëwal dugal sa xaalis léegi mu andi xaalis bu dul jeex bi ñu toogee léegi xaw ma ñaata offre spontanée la jot ñu neexoon ñu nangu ko ne parce que dañoo soxla gaaw-gaaw sénégalais gis ni tabax nañu ñaari ñaari tali ak ñetti teen waaye du noonu la ñuy tabaxee réew moo tax peuple bi ci boppam moo war a jóg ci niveau boobu waaye mbokk yi lii garaaw na man dama cee am nakaru xol parce que ñàkk bëgg sa réew mënul weesu li moo tax mënuñoo woo askan wi ne ko nag li ñu yàq bëri na foogoon nañ ni tool gi ñuy jox dangay ñëw rek bay ji ñi ñëw ndekete forêt classée lañ ñu jox faw rekk nga am liggéey bu bëri boo def doo ko mën a ji waaye ñi ñu dugal ci loolu il faut balaa ñu naan askan wi ñëw leen ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp pour defar li ñu yàq jaadu na ñoom ñu la layoog askan wi motax tax damay jox kaddu gi monsieur le ministre de la justice momit mu am lum ci wax rek ci li jëm ci walu gis-gisu yoon ci lu melni monsieur le ministre vous avez la parole. jërëjëf euh, monsieur le premier ministre euh wax ci sama kaddu du ci bari ndax muy moy nga ko faram fatié yow ak euh, euh monsieur le ministre de l'économie leer na naññ leer goo xamee ni kii man mi nga xame ni euh, tey jii yàlla dafa def euh, ñu dénk ma <coughs> lépp lu jëm ci yoon gis-gis bu jëkk bi ma ci am moom mooy ni mbir mi tëddee tëdd na euh, mel na ni am na jalgati yoon boo xamee ni day jaadu ñu gëstu ko gëstu boo xamee ni lépp li nga xam ne ni yoon liggéeyam la mu def ko ndax mbir mi dafa jéggi dayoo si ni ko gisee bopp waaye eh, yoon dafa am nu mu tëdde mbir su amee dañ koy gëstu saytu ko lépp li ci war ñu def ko ñi nga xame ni ñi jàpp nañ ni def nañ loo xame ni dafa jalgati yoon ñu laaj leen ñu lay ñu lay ndaxte sunu mbirum yoon dafa tëdde tëdde tëddin boo xamee ni doonte am na tuuma yuy gàll sa ndodd day jaadu ñu laaj la te jàpp ni lii tuuma la rekk te tuuma dañ koy dëggal yoonal ko te su boobaa nag lépp li ci war yoon dina ko def na mu ware lépp dina dañ ko teg ci yoon ji nga xamee ni ñii lii nga xamee ni lii tey jii wax nañ ni noonu la tëddee dinañ ko saytu saytu bu leer nañ te lépp li ci war si xeetu yaru yoon si xeetu lijjanti mbir mi dinañ ko def na mu ware ak fa mu ware jërëjëf monsieur le ministre jërëjëf monsieur le la justice kon ñu tëj wax ji rek balaa ñuy jox <coughs> suñu mbokk journaliste yi kàddu gi ku ci am loo laaj euh, wax rek nii lay lay suñu responsabilité ñun dañ ko def ba mat sëkk ba ci njëkk mooy ni ni ñu yore woon réew mi am na lu fi njëkk a jaar waaye ñun ñëpp gisoon ni ay tappale la wala politique la woon ñun nag lépp day tegu ci yoon moo tax léeg nga dégg nit ñi ne mbir mi dafa yéex dara yéexul yoon dafa am nu muy doxe waaye képp koo xam ne ci anam yii ak yeneen anam ndax wax naa leen ni lu bëri ci xaalisu réew mi dañ ko randal ñoo ngi ko jaarale ci suuf si ñoo ngi ko jaarale ci lémpo gi ñoo ngi ko jaarale ci euh, certificat nominatif d'obligation yi ñu ngi ko jaarale ci rachat de créance yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne seeni pexe ak fi ñu ko jaarale xam nañ ko liggéey bi ñuy def nag day ànd ak tey ak dal waaye askan wi na xelam dal ni ñi leen teg lii dinañu la yokk moom ñaareelu pàcc bi muy lu am solo mooy gannaaw bu ñu waxee askan wi dëgg parce que dëgg gi ñu wax nag

donté li ñu dégg tiital na leen tuuti waaye rafetu nañ ko li effort de transparence bi nga xam président Bassirou Diomaye def wax it ni dinañu ànd ak ñun ci mesure corrective yi nga xam faw mu am jox ñu it seen xalaat ci yu la ca des mooy askan parce que man dama gëm ni lay defar réew mi day jóge ci biti mësuma koo gëm loolu ndollent la rek waaye dangay def li nga war a def ba noppi lépp li nga war a dajale ci biir te réew mu ne nag yàlla def na fa li war a tabax réew mi moo tax su ñuy wax saytuwaat yenn contrat yi convention yi ci loolu la jublu bu ñuy wax ni askan wi sopp nañu képp kuy citoyen mu xam ni l'impôt gi muy fay mooy tabax yoon mooy tabax hôpital waaye loolu du jóge ci ci poosu Bassirou Diomaye Faye ci ci loolu lay dugg suñu nee yenn yi nga xam ne yombal gu ëpp la woon nuñ koy xoolee ba gérer ko ci loolu la dugg waaye suñu nee nguur gi ci boppam ni mu doon dundee yàq gi bëri na ci dégg naa bi ñu waxee ni yenn yi nga xam ne lu ëpp la ci ni ñuy utiliser nañ ko wàññi. ñenn ñi naan loolu ay détails la ñàkk xam la boo demoon États-Unis wala nga dem France wala feneen ak feneen ñoo ñu ëpp alal foofu te lii ma wax nii noonu la seeni service di doxe kon lañuy xaar ci askan wi moom it mooy mu takku ndax am na njiit yi mu war a am de ma waxaat ko fii léegi bàkk président Bassirou Diomaye Faye parce que bi ñu gisee lii bi ñu defee liggéey ba pare gis ko daje nañu moom ministre de l'économie ngi fi woon moom secrétaire général mu nga fi woon ministre des finances nga fi yenn directeurs généraux des régimes financiers ñu nga fi ñu ne ah li ñu gis te doy na waar te buñ ko waxee mën na jur lii ak lii ak lii ci safaan ba moo am sax ñu xalaatoon ni tey ñu ko nëpp nëppal tuuti waaye président dafa ne duma mus a fenn sama askan xam lii nëbb ko moy fen nañu askan wi te buñu féné askan wi la dess ci mandat bi yëpp dañuy obligé di continuer fen te man duma doxalee non kon dañuy wax mbir mi luñ ci gobé gar ko budé ñi ñuy jëflanteel ci bitim réew loolu tax nañu tit wala ñenn ci ñom bu xaw banque seen loxo ñu xam ni non la démé daal takkat takkaat suñu digg defaru la ñu waroon uti ñu essayé ko liggéey fii mais loolu day supposé sénégalais bu nekk comprendre enjeu yi xamni ni am mu soxla won maa koy wax fi ci mandat bi sàcc ak détourné du fi am wala kuko ko def it sa place ñep xam nañ ko jël lo moomut du fi am orienté tembiri ci luddul farata du fi am te kuñ fi tab di nga liggéey ba mënatu kon lool rek la askan di xaar ci ay njitam waye njit ñi la lañuy xaar ci askan wi mooy suñ leen woowee ñu wuy si ko ñaar yi bu dajee rek ci diir bu gàtt gàtt gàtt dinañ soppi suñu réew ba nit ñi jaaxle kon loolu lu mën a ne la lii ñu wax ni tekkiwul ni dañoo nekk ci njàqare wala défaitisme déedéet dañoo bugg rek ñun ñu yépp ñu bokk xam ni fii la ñu doore te fële la ñu bëgg jëm te bu soobee yàlla le set bu ñu leen présenté vision 2050 nga xam ne ci 25 ans la yéen ñëpp di ngeen xam fi ñu bëgg a jëm ak naka lañ fay jëmee kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant euh, di wax ni bisu tey dafa war a nekk un tournant dama bëgg sénégalais bu ne sentir ko jël résolution ci boppam ne bis ni ki tey manit ci li ma warloog sama réew dina doon un tournant mystification jeex ci réew mi dañ wax ay homme politique naan c'est un homme d'expérience expérience bi yëpp mi ngi nii c'est un homme d'état homme d'état bi yëpp mi ngi nii réew tappale ak wax lu dëgg ak randal alalu réew mi du ko defar kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di bàyyi euh, soxna si mu joxe gi jërëjëf merci beaucoup monsieur le premier ministre Monsieur les ministres donc, chers euh, confrères, euh, chers consoeurs de la presse, nous allons prendre quelques questions. Et pour des soucis d'efficacité, il sera impossible de donner la parole à chaque journaliste. Mais nous allons essayer d'avoir un échantillon assez représentatif des différents organes présents. Et donc, nous proposons cinq questions. Une pour la presse publique, une pour la presse privée, une question pour la presse internationale, une de la presse en ligne, et la presse africaine est également représentée. Nous donnerons donc une question à cette presse africaine. Une question, je précise, par journaliste, et une question exclusivement en lien avec le sujet du jour. Nous allons donc démarrer les questions. La RTS est en direct et je donne la parole à Madame Adama Anouchkaba la première question. Merci Aram. Bonjour à tous. Euh, merci messieurs. Et ma question s'adresse au Premier ministre euh, Ousmane Sonko. C'est vrai, ce que vous venez de faire est un pari risqué pour un gouvernement, pour un État. Et avec ces chiffres euh, très alarmants et très inquiétants qui ont été rendus publics, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'image du Sénégal pourrait en prendre un sacré coup au point de perdre la confiance de nos partenaires financiers en dehors du FMI. En d'autres termes, est-ce que la signature du Sénégal n'est pas menacée par ces chiffres qui viennent d'être euh, publiés Merci. Merci Adama. Nous prenons toutes les questions avant de retourner la parole aux autorités pour euh, les réponses. Alors pour la presse en ligne, euh, cher Fall de Dakar Actu. Merci beaucoup. Euh, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Et euh, merci également pour euh, cet exercice de transparence. Merci à vous et à tous les membres de votre gouvernement ici présents. Ma question est adressée à Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne. Alors, on a déjà vu récemment l'installation du pôle financier judiciaire qui, en quelque sorte, s'occupe de, de cette question de la reddition des comptes. Alors, on voit également qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont un peu perturbés par rapport donc à cette situation, qui pensent également que cela est un prétexte pour euh, essayer donc de museler un certain nombre d'acteurs politiques également. Alors, quel est euh, votre euh, gage en quelque sorte Quelle est peut-être la réponse que vous devriez leur offrir pour essayer donc de les rassurer en quelque sorte Merci. Merci, euh, cher Fall. La presse internationale, une question pour la presse internationale. Sinon, nous donnons la parole. Oui, voilà, madame. Vous présentez également, s'il vous plaît. Merci bonjour, euh, Sens pour euh, l'agence France Presse. Euh, après six mois de pouvoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations Merci, madame. C'était madame Vous êtes présentée. Pardon, vous ne m'avez pas entendu. Éléonore Sens, agence France Presse. Merci beaucoup, euh, l'AFP. Voilà la voix de Sud FM, Malamine. Sud FM, Malamine. Il est bonsoir à tous. merci beaucoup pour cet exercice. J'ai juste euh, une question, c'est en rapport avec la reddition des comptes. Depuis quelques jours, nous constatons la convocation et même des gardes à vue de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Et tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé que, en tout cas, les anciens ministres de, l'économie et des finances, notamment Amadouba, Mustafa Abba, Abdoulaye Diallo, ainsi que l'ancien chef de l'État, devront s'expliquer auprès des Sénégalais donc euh, concernant ce qu'il appelle le carnage financier, pour le gouvernement, c'est la reddition des comptes, mais par contre, pour l'opposition, c'est la chasse aux sorcières qui vient de démarrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'assurer que la mémise de l'exécutif ne sera pas apparente peut-être sur euh, cette question de reddition des comptes On en a déjà quatre. La cinquième question à la presse euh, africaine. Mehdi 1 est là, on me signale. Voilà, Mehdi 1. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors lors de la deuxième édition de l'opération CETAL euh, rayons, euh, pardonnez-moi Wolof, vous aviez euh, révélé avoir trouvé un pays en ruine, et je pense que l'état de lieu qui a été dressé ici appuie évidemment cette déclaration. La reddition des comptes euh, semble avoir déjà démarré aussi, enclenché avec l'installation des magistrats du pôle financier judiciaire. Mais au-delà des poursuites hein, judiciaires qui sont annoncées, par quel autre moyen votre gouvernement compte-t-il recouvrer les derniers et autres biens publics détournés Merci. Merci beaucoup. Nous avons cinq questions. Madame, nous reviendrons à vous si l'on termine cette euh, première série des cinq questions, si le temps le permet. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Premier ministre, je vous retourne la parole pour les réponses à apporter aux cinq questions posées par les différents organes représentés. Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu cinq questions. Il n'y en a qu'une seule qui, qui se rapporte totalement au point de presse, notamment des impacts éventuels sur la signature du Sénégal. Et je voudrais dire à Mme Ba que euh, je crois qu'on a essayé tout au long de, cette, euh, de ce point de presse d'expliquer que c'est en toute connaissance de cause des implications internes et internationales de cette situation que nous avons pris la décision de dire la vérité aux Sénégalais et à nos partenaires. Évidemment, en ayant pris la précaution avant tout de faire quelques démarches à l'endroit de ces partenaires que nous devons respecter parce qu'ils ont injecté énormément de fonds dans ce pays. Je pense que pas plus tard qu'hier, M. le Président de la République a reçu Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international à New York. Nous pensons que tout risque étant égal par ailleurs, comme, tout risque égal par ailleurs, comme on dit, pour paraphraser les mathématiciens, qu'il y a des lieux, qu'il y a lieu d'espérer que nos partenaires ne s'inquiètent pas outre mesure de la situation, pour plusieurs raisons. Nous avons un pays quand même qui a un certain nombre d'atouts. Le premier, le premier de ces atouts et le plus important à mon avis, c'est que nous avons un pays stable qui offre également beaucoup d'opportunités d'investissement avec tout ce qu'on a pu découvrir comme ressources, avec euh, une démographie fondamentalement portée par les jeunes, mais avec un leadership renouvelé et qui a pu être renouvelé dans des conditions les plus démocratiques possibles, au euh, regard au contexte de l'époque. Ce qui nous donne un dividende à côté des autres dividendes, un dividende démocratique qui, qui est extrêmement appréciable. Et je pense qu'en plus de tout ça, ce cet effort de transparence auquel la nouvelle équipe s'est délibérément livrée, personne ne nous a contraints. Si on n'avait pas donné les informations, je peux vous assurer que tous nos partenaires auraient pu venir. Vous auriez entendu les revues du Fonds monétaire, de ceci et de cela, et ils seraient partis avec les chiffres qu'on veut bien leur donner. Et tout ceci nous fonde à croire, en plus des réactions que nous avons pour le moment, que l'impact sur la signature du Sénégal peut ne pas être extrêmement important. Mais si cela l'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours considéré, nous, que nous n'avons pas encore entamé le plus important, notre potentiel endogène. Je l'ai toujours dit pendant dix ans d'opposition, notre conviction c'est que nous avons encore un potentiel endogène énorme et inexploré, inexploité. D'où l'appel au civisme et au patriotisme de tous les Sénégalais. Nous ne devons pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Elle viendra avant tout, principalement et d'abord de nous. Et c'est cela, justement, qui va rassurer nos partenaires. Et toutes les réformes que nous avons initiées, qui ont été annoncées par euh, les deux ministres, iront dans ce sens-là il nous faut faire des réformes fiscales tendant à élargir l'assiette sans pour autant augmenter la pression fiscale et même certainement en diminuant les taux d'imposition. Mais ce qui va le combler, c'est la participation plus ou moins volontaire de tous les Sénégalais à l'effort de contribution. Nous allons vers beaucoup d'autres mesures de ce sens, indépendamment des mesures de rationalisation qui ont été annoncées sur les subventions, sur euh, le, le, train de vie de l'État et sur beaucoup d'autres aspects. Et c'est pourquoi, sans écarter ce risque, nous demeurons convaincus qu'il peut être maîtrisé et que nous avons une occasion unique. Cette situation doit constituer plus une opportunité que le chaos. Ça doit être le déclic que nous attendions et qui nous permettrait d'établir un nouveau rapport entre les dirigeants et le peuple, un nouveau rapport entre les dirigeants et leurs partenaires également. Et c'est pourquoi je ne me fais pas énormément de soucis. Peut-être que je suis un optimiste béat, mais ma conviction, c'est que si le peuple a décrypté le message, et ce ne sera pas seulement à travers cette conférence de presse, c'est un travail permanent qui sera initié à partir de maintenant de communication pour que le peuple comprenne. Pour les autres aspects, je crois qu'il peut avoir un tout petit peu de lien avec le point de presse, mais nous ne voulons pas que la situation extrêmement grave que nous venons de présenter soit diluée dans des aspects qui nous semblent moins importants. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça voudra pour nous-mêmes quand on cessera d'exercer des fonctions. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Et le ministre l'a dit, nous le ferons en respectant. Et c'est pourquoi certains disent que c'est lent, c'est lent, c'est pas lent. Nous avons un ministre de la Justice quand même, qui est un homme du Serail, et qui joue de sa crédibilité par rapport à son environnement, qui n'acceptera pas de piétiner les règles élémentaires pour satisfaire à une quelconque vendite. Ça ne se passera jamais comme ça. Et nous ne sommes pas dans, ces, ces, dans, cette logique. Nous ne sommes pas là pour nous vager de X ou Y. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique. Point. Tel nous a insultés, tel nous a... Ça, ça ne nous intéresse pas. Et le peuple s'est régalé, comme tous les peuples de ce monde, exige de ceux à qui ils ont eu à confier des responsabilités qu'à un moment donné, ils rendent compte. Ça ne doit pas faire l'objet de tous ces débats. Maintenant, de quoi est-ce que les gens ont peur Qu'est-ce qu'ils ont fait L'histoire nous le prouvera, mais dans le respect strict des règles du droit, euh, et le ministre va compléter sur ce que je viens de dire. Maintenant, le débat ici, c'est pas Madame, euh, je avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, ce n'est pas le, cours de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, ce n'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse, nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Euh, je crois que, d'une façon générale, vous avez posé les grands axes de ce que doit être ma réponse. Les questions qui ont été posées et qui relèvent justement de ma responsabilité euh, sont relatives au pôle financier qui a été installé officiellement ces derniers jours. Il y a juste lieu de rappeler que la loi sur le pôle financier, nous l'avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi a été promulguée le 2 août 2023. Et c'était en remplacement de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il a été bien précisé, et ce sont là des principes, cette Cour ce pôle financier, ce pôle judiciaire financier, avait, on lui a euh, tracé des attributions extrêmement importantes et concernant des infractions graves et dont cette cour, ce tribunal, ce pôle, a l'exclusivité. Donc pour pouvoir poursuivre certaines infractions, il fallait absolument d'abord nommer les magistrats de cette cour, ce qui a été fait le 9 juillet dernier, et ensuite euh, procéder à leur installation officielle, avant même qu'ils aient pu trouver un siège. Mais encore une fois, la justice, comme on a, l'habitude de le dire, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Et encore une fois, nous sommes là pour euh, gérer un département déterminé. La justice entre dans le cadre normal des attributions d'un État. Et ce n'est pas parce qu'il y a le pôle financier qui a été tout simplement installé officiellement et qui commence ses attributions de façon tout à fait transparente et tranquille en, dans le cadre d'un respect strict des règles, des droits de chacun, mais dans le souci d'efficacité qui a effectivement eu à justifier sa création. Encore une fois, comme on le dit en Wolof et ce qu'on pourrait traduire en des termes approximatifs l'enfant issu des amours, de la précipitation et de l'impatience porte fatalement le nom de regret. Et nous n'avons pas l'ambition de regretter quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va s'en tenir au principe, sans faiblesse et dans le respect des principes des droits de tout le monde et surtout dans une application rigoureuse, impartiale et indépendante de la loi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour que l'on me dicte la conduite à tenir. Et jusqu'à présent, je dois reconnaître qu'on nous a laissé la pleine liberté de nos mouvements et nous veillerons à ce que cet état de fait perdure. Nous ne nous laisserons pas influencer par des pressions. Les choses sont lentes ou pas. La justice fera son travail dans le respect des principes, de ses prérogatives et dans le rythme et suivant le rythme lui convient. C'était juste ce que j'avais à dire. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie. Je remercie, Monsieur le Premier ministre. Euh, je voulais euh, ajouter à euh, ce que vous avez dit à propos de notre signature. Effectivement, transparence et dividende démocratique. Le Sénégal a un dividende démocratique qui est apprécié de par le monde. notre dette et ce message est à l'endroit de nos partenaires, notre dette est soutenable. Et euh, le plus important euh, pour la signature d'un pays, c'est la trajectoire. La trajectoire de cette dette qui va être réduite et la crédibilité de ceux qui, ceux qui s'engagent à réduire euh, cette dette d'une façon donc soutenable et qui soit, disons, favorable à une économie euh, saine et prospère. Et comme M. le Premier ministre vient de le dire, euh, donc euh, le, référentiel sera présenté le 7 octobre et quand on le présentera, donc nos partenaires sauront que l'avenir est, prometteur et il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne notre signature parce que ceux qui s'engagent à gérer cette dette et à la mettre sur une trajectoire soutenable sont crédibles. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Nous allons peut-être autoriser une dernière question avant de lever la séance. Euh, c'est côté qui a insisté. Une question donc pour Madame et on s'en arrêtera. Bonsoir. Mélanie Sambou, Walfadri. Euh, ma question, c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, quel sort euh, pour euh, l'actuel ministre des Finances, Cher Diba, qui était sous Macky directeur de la programmation sénégalaise budgétaire, autant pour moi. Merci, madame. Nous allons euh, retourner la parole à monsieur le Premier ministre. C'était la dernière question. Nous en avons eu six et nous savons que les éditions se rapprochent. Nous allons nous donner rendez-vous euh, prochainement pour eh ben, d'autres rendez-vous. Vous en une dame et un homme. Nous on prendre deux autres. Deux, questions de plus. Alors, euh, madame, oui. Et apprécie, oui. Euh, merci beaucoup. Euh, c'est Aïssa Diop du quotidien LAS. Merci beaucoup à Monsieur le Premier ministre et à votre gouvernement de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Euh, un exercice à saluer et nous vous exhortons à le perpétuer. Ma question est pour Monsieur le ministre de l'économie vous avez euh, parlé de la volonté de l'État du Sénégal de réduire la dette de 83 à 70%. J'aimerais savoir quel est, est cela dans les meilleurs délais. J'aimerais savoir comment y parvenir si l'on sait que la mobilisation des ressources, la rationalisation des dépenses et la réduction des subventions à l'énergie sont entre autres les moyens que vous avez notés et ne suffisent pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, euh, Monsieur Si de l'autre côté, Papsi de l'autre côté de l'APS pour la dernière question. Euh, merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la reddition des comptes, le Forum civil a alerté ce matin pour dire que la justice avait besoin de temps pour euh, faire son travail et on soupçonne euh, une volonté de musulmans, d'opposants engagés dans la course législative. Qu'en pensez-vous Voilà donc les trois questions de plus. Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Merci. Euh, pour la dernière question, je pense que, comme je dis, nous restons focus sur euh, le point de presse et tous les acteurs sont libres d'apprécier ce qu'ils disent n'engage que. Je crois que le ministre de la Justice a déjà suffisamment répondu pour qu'on ait à épiloguer davantage sur cette question. Euh, pour la première question, j'avoue que je n'ai pas trop, trop bien compris, sauf à établir une responsabilité directe du ministre euh, que vous avez cité tout à l'heure. je ne vois pas en quoi son nom est engagé dans cette affaire. quand il sera établi une responsabilité particulière, évidemment, nous verrons. Mais si vous, saviez, si vous savez bien comment fonctionne l'État et comment les responsabilités sont exercées sur la chaîne hiérarchique, je crois que cette question ne serait pas posée. En temps de cause, je l'ai dit et je le redis, nous ne sommes ici pour protéger personne même si on découvrait des faits concernant Ousmane Sonko avant sa radiation des impôts et domaines, il faudrait qu'il en réponde. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Euh, je vais laisser au ministre des Finances le soin de répondre à la question qui lui a été posée. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En fait, euh, la, réponse à la, à la question était déjà dans votre question, en ce sens que euh, nous avons dit euh, que le gouvernement va, s'atteler à davantage mobiliser les ressources euh, internes par la promotion donc d'un civisme fiscal et également une, revue des dépenses publiques, de telle sorte à avoir des, dépenses de, qualité. Une revue également des projets et programmes qui sont en cours, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours euh, qui en fait devraient être arrêtés parce qu'ils ne sont que source d'endettement. Et lorsque cet exercice en cours sera terminé, euh, je pense que le déficit budgétaire qui donc euh, est à l'origine de la dette pourra être réduit de façon significative. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la signature donc, du Sénégal dépend d'une trajectoire, une trajectoire crédible. Donc un déficit budgétaire réduit et une trajectoire de réduction de la dette donc, crédible euh, nous assurera donc une signature que nos partenaires euh, apprécieront. Euh, donc la réponse à votre question, c'est que le déficit budgétaire sera réduit et la dette sera dans une trajectoire descendante en termes de chiffres exacts, lorsqu'on aura fini de faire le travail dont je vous ai parlé, euh, cette trajectoire vous sera présentée. Je vous remercie. Je vous remercie tous euh, pour avoir euh, participé à ce point de presse. je présenterai mes excuses à, aux uns et aux autres, ceux qui voulaient poser des questions qui n'ont pas pu le faire ce dont les questions n'ont pas été suffisamment répondues. Ce n'est pas une volonté d'être discourtois de ma part, mais nous accordions beaucoup d'importance à ce point de presse pour que les Sénégalais comprennent. Et qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de ce point de presse C'est que, le gouvernement sortant a menti aux Sénégalais pendant des années sur quasiment tous les indicateurs mais en l'occurrence ici, sur tout ce qui concerne la dette, le déficit et le surfinancement. Que le gouvernement sortant a traficoté, a manipulé les écritures publiques pour pouvoir faire passer cela et continuer à être attractif auprès des partenaires et des bailleurs. C'est des faits extrêmement graves. Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, une bonne partie des ressources issues de ces manipulations n'a pas été orientée vers sa destination. Et que dans les jours à venir, et c'est pourquoi certaines des questions qui ont été posées ici seront répondues très amplement. Dans les jours à venir, vous aurez régulièrement à faire face à des membres du gouvernement ministre, directeur, directeur généraux, au ministère de la Justice sur les questions qui relèvent de lui, pour vous éclairer par rapport au traitement d'un certain nombre de choses et par rapport à ce qu'on a découvert. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'inspection générale d'État et de la Cour des comptes, de l'inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés beaucoup de choses à mi-étape pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifié. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. C'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour euh, la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur une, un taux d'endettement de 73,7. Et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de, de dette. Évidemment, la conception du référentiel doit prendre en considération ces aspects-là. Il faut en tenir compte dans les efforts que nous devrions produire, tous tant que nous sommes, tous les Sénégalais, pour remonter la pente. Il faudrait en tenir compte dans la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partie de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires. Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les assurant, le donnant la garantie. Comme l'a dit le ministre, il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation que nous trouvons en place. Et nous pouvons assurer le peuple sénégalais que nous allons, avec lui, ensemble, pas à pas, trouver ces solutions et définitivement en finir avec cette façon de gérer l'État, avec cette façon de conduire le destin de la nation. Et si cela a été bien compris, nous considérons que ce point de presse aura été utile pour le Sénégal. Je vous remercie.